اللهم اجعلنا ممن يؤمن بلقائك ويخشاك حق خشيتك اللهم انصر إخواننا في سائر بلاد المسلمين اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم توفنا على الإيمان واجعلنا من أهل الجنة آمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجعة نقمتك وجميع سخطك اللهم ابعد عنا وعن أحبابنا الظالم والحاقد والحاسد اللهم ابعد عنا وعن أحبابنا الظالم والحاقد والحاسد اللهم ابعد عنا وعن أحبابنا الظالم والهاقد والحاسد اللهم لا تجعلنا عونا للظالمين والمجرمين اللهم لا تجعلنا عونا للظالمين والمجرمين اللهم لا تجعلنا عونا للظالمين والمجرمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا نسأل الله الحي القيوم أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله وبورك له في رزقه وماله وولده وأهله اللهم إنا نسألك الحي القيوم أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله وبورك له في رزقه وماله وولده وأهله نسأل الله الحي القيوم أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله وبورك له في رزقه وماله وولده وأهله اللهم إنا نعوذ بك من طول العمل وحب اللهم إنا نعوذ بك من طول العمل وحبوط الأمل اللهم إنا نعوذ بك من طول العمل وحبوط الأمل اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم اجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا اللهم اجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا اللهم اجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم واجعل تربتنا البقيع ألم يجعل الصراط ممشانا والكوثر مسقانا والجنة معوانا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد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 Allah subhanahu wa ta'ala, le majestueux, le sage, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, qui a créé et suscité parmi ses créatures des hommes, dont il en a fait des modèles de vertu, d'abnégation et de détermination, afin eh, qu'ils servent de référence et de guide pour une meilleure organisation de la société. Nous attestons qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Allah le connaisseur des choses cachées et des choses apparentes, à qui absolument rien n'échappe, aussi petit soit-il, tant sur terre qu'en mer que dans les cieux. Nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est messager d'Allah et qu'il a envoyé en tant que miséricorde pour toute l'humanité entière, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, sur ses membres, sur les membres de sa famille, sur ses illustres compagnons, ainsi que sur tous ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres. Chers frères et sœurs, le sujet dont nous nous proposons de traiter aujourd'hui par la grâce de subhanahu wa ta'ala, portera sur la bonne gouvernance en islam. Enfin, nous allons parler de la bonne gouvernance. Donc, des exemples que nous allons tirer évidemment euh, au niveau de ceux qui ont eu en charge la direction euh, de, de, la charge de la société au nom de cette religion que l'islam. En effet, de l'avis de ceux-là qui s'intéressent à la chose de très près, la bonne gouvernance peut se définir, ce n'est pas exhaustif, comme étant un fidèle et permanent compte rendu de tout ce qu'un gouverneur ou un détenteur de pouvoir a accompli dans la sphère du pouvoir qu'il exerce et en toile de fond dans la plus grande transparence et dans la totale application de la justice, de la loi, du dialogue social, etc., etc., dans le strict respect des lois et des règlements. Cette définition, cette définition aussi sommaire soit-elle, si elle est acceptable, alors nous pouvons dire, et ceci avec une conscience tranquille, que l'islam a fait de la bonne gouvernance, et cela depuis plus de 14 siècles, un credo religieux, un élément de mesure de la foi et un constituant de la loi car les notions de justice sociale, de transparence dans la gestion des biens communautaires et la consultation à propos des affaires de la société ont toujours constitué le cadre de référence dans la conduite de ceux-là à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé un pouvoir et qui s'en sont honorablement acquittés et à propos desquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran الذين أمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة <coughs> وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور سيكي كانت نولر أدونون بوار دون لا فيسانس سفير أكمبلس لا صلاة لأساكيد دي لا زكاة إي أردون لو كونفينابل et interdisent tout ce qui est blâmable. Cependant, l'issue finale de toutes choses appartient à Allah C'est donc dans ce cadre-là que nous nous proposons, chers frères et chers sœurs, chers auditeurs, de parler de la bonne gouvernance en islam, de la bonne gouvernance de façon générale en islam particulièrement, et nous allons sûrement parler, parce que la bonne gouvernance, euh, aujourd'hui, c'est un vocable qu'on entend un peu partout, mais qui semble creux dans son application. Et c'est cela que nous voulons, Inch'Allah, vous, euh, vous entretenir. Euh, frère Haladou, salam alaikum. Alaykoum salam Abdel Fattah, salam alaikum. Wa alaykoum salam Voilà à peu près succinctement le chapeau, comme disait notre frère qui n'est pas là. Al-Mustafa, euh, Al-Mustafa. <laughs> Euh, ce que je peux dire. Alors, la parole est à celui qui voudra. La première, mais je la remettrai tout de suite à Abdel ah. Fattah, il y a sûrement quelque chose. <laughs> bon, je vais m'appuyer d'abord sur Abu Bakr Siddiq, anhu, qui est le deuxième calife. Quand il a été nommé commandeur des musulmans. Il était calife pendant 10 ans. Il a fait savoir <coughs> ma gestion, ma gouvernance. Non il faudrait que le plus faible parmi vous. Et le plus fort. Quand il va être avec moi, mm-hmm. puisse être fort et rentrer dans ses droits. Et il faudrait aussi que le plus fort mm-hmm. parmi vous, mm-hmm. quand il va être à côté de moi, se sente faible pour restituer les droits des autres des autres. Tout à fait, c'est la justice. Euh... Il dit que c'est sur ça que lui va travailler. Mm, mm, mm. Et Ibn Abbas, radiallahu anhu, non. il nous fait référence à Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Non. Il nous dit multiplier le rappel de Omar. C'est-à-dire, souvenez-vous beaucoup de Omar. Tout à fait. Il dit car se souvenant de Omar, mhm. on se souvient de la justice et de l'équité. Mhm. Je dirais l'occasion de se souvenir localement de quelqu'un. Et il dit, en vous souvenant de la justice mhm. et de l'équité, vous vous souvenez d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. Donc sur ces deux points-là que nous allons

Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a frappé un exemple par rapport à cette bonne gouvernance et à attirer notre attention. Euh, pourquoi je vais commencer là D'abord parce que c'est un thème très vaste. Donc, euh, qui pourra englober toutes les autres responsabilités il ne faut pas qu'on pense seulement à celui qui est perché à un poste mhm. en haut. Mhm. Le prophète a dit mhm. Vous êtes tous des bergers. Et je disais que Allah subhanahu wa ta'ala nous a frappé un exemple. Parce que de quoi il s'agit ici, c'est de la notion de gestion, de la notion de responsabilité, d'équité, et de la amana. Allah subhanahu wa ta'ala a dit cette responsabilité, cette amana, il l'a confiée aussi aux montagnes. le contenu de sa lourdeur, ils ont décliné leur Seul l'homme a accepté parce qu'il est parmi tant d'autres qualificatifs, qualificatifs ignorants. Oui, parce qu'elle est, parce mhm. n'est-ce pas mhm. Et injuste, mhm. n'est-ce pas Donc, euh, ça, ça nous souligne que la gouvernance, et quelle que soit la position qu'on occupe, même étant célibataire dans son individualité, étant donné qu'on répond aux qualificatifs de l'homme avec grande tâche, donc cette responsabilité, euh, cette notion de responsabilité nous concerne comme il vient mhm. euh, de, notifier, mhm. donc de faire preuve de justice et mhm. d'équité dans tout ce que nous faisons, mais en se référant notamment à Allah Tout Qui nous a tout confié, qui nous a gratifié d'abord de, euh, de l'existence, qui nous a créé mais qui nous a tracé à chacun d'entre nous, célibataires, tant de famille, mhm. gouvernants, en tout cas que, la, responsabilité soit petite ou grande, mhm. c'est en référence à, notre Seigneur. Mhm. de la même façon qu'on purifie son intention pour euh, accomplir les cinq piliers de les cinq piliers de l'islam, n'est-ce pas La shahada fi la prière à cause de Dieu, le Hajj, ainsi de suite. Mm. Tous les actes à cause de Dieu, donc c'est en référence mm. à cette unicité de Dieu. Tout Et qu'on doit exercer. Machallah. Alors, euh, euh, Abdel Fattah, euh, cette équité, ce désir d'être juste, nous commencerons par le Créateur qui nous a créés, c'est lui-même. Dans un hadith qui se dit, je me suis interdit l'injustice, alors je vous oblige à ne pas être injuste. Et de par l'éducation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçue d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous voyons que lui-même il a donné de, beaucoup d'exemples euh, où il faut être juste. Le prophète a dit, entre autres, si sa propre fille Fatima arriverait à, à poser un acte, eh bien il allait lui appliquer la loi. Et c'est justement cet enseignement-là que nous retrouvons autour de ses compagnons dont tout à l'heure tu parlais de Omar et donc tu vas sûrement nous dire quelque chose. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire bien sûr sur, Omar qui a été calife pendant 10 ans de 634 à 644 et euh, je, je me rappelle, j'ai vu quelque part où la première action qu'il avait décidée une fois élu euh, calife, il a rassemblé sa, famille notamment en leur disant c'est pas aux femmes, c'est pas parce que aujourd'hui vous êtes l'épouse du calife que vous allez vous comporter autrement à ses fils, c'est pas alors il a mis les choses la première dame. <laughs> alors il a mis les choses <laughs> donc il a commencé d'abord par là et c'est comme ça qu'il faut commencer si on veut vraiment sortir faire appliquer eh, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi. Oui, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Summa Salatu Wassalam ala Sharaf al-Mursalin, Muhammad Alam al-Huda, wa Manar al-Yaqin. Le problème, c'est que les gens ignorent la notion de amana, c'est-à-dire la responsabilité. Ils ignorent les conséquences, peut-être. Tout. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le professeur de l'humanité, tout à fait sallallahu alayhi wa sallam nous dit toujours au sujet donc euh, de Amana, mhm. la responsabilité, l'engagement. Mhm. Il disait Innaha Amana. Bah, la responsabilité, mhm. c'est une confiance qu'on a placée en qui sera demandée le jour de compte. Bien sûr, bien sûr. Une fois que l'on arrive à faillir, mm. ce sera compte et ignominie. Dans l'au-delà. Il regret mm-hmm. mm-hmm. le jour du compte. Mm-hmm. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, sauf celui qui s'est assumé convenablement, qui a reconnu à tout un chacun ses droits. Ses droits. Fils les gens blaguent beaucoup avec la responsabilité. Tout à fait. C'est pour ça que je dis les gens ignorent. Le fait de dire que je suis candidat, je vais gérer. C'est un engagement solaire. C'est un engagement Allah et, aide de les Subhanallah. Et une fois arrivé au poste, les gens oublient totalement. Complètement. Ils ne voient que leur intérêt et l'intérêt de leur parti. Et ça se limite à ça. Pendant que la population crie que ça là, on ne peut pas supporter, ça là, c'est plus fort que nous, on ferme les yeux et on continue. Et c'est devenu la règle. Hein? C'est comme ça. Ça ne devait pas être comme ça. ici, dans le langage de l'homme, on dit que le peuple est souverain. Mm-hmm. Pourquoi se trouve la souveraineté mais de façon Et l'islam nous fait savoir que quand vous acceptez de gouverner, mhm. vous acceptez de venir servir mhm. euh, la population, la société. Voilà. Et non, pas vous servir. On a toujours dit ça, mais les gens. Mais malheureusement, c'est le contraire qui se fait. Mhm. maintenant il faut voir à titre d'exemple. On a augmenté le prix du gasoil. Mhm. La population dit que nous, on ne peut pas supporter. porter. Mhm. On n'a rien fait. Mhm. Votre enfant ou votre frère ne peut pas venir vers vous demander quelque chose, une faveur, qui derrière même son droit, et vous fermez les yeux, vous dites que je m'en fous avec toi. C'est ici, on vous demande de changer les plaques changer permis, mm-hmm. tout ça augmenter les frais de gaz, mm-hmm. qui n'est même pas encore officiel, qui n'est pas officiel. C'est ici on a augmenté les frais de méga. Mm-hmm. Tout ça là, c'est sous le dos des gens. Il faut voir le pain qui autrefois, nous, quand on était petit, la baguette, c'était entre 15 francs et 20 francs. Mhm. La baguette, aujourd'hui, est à 250. Mhm. Mhm. Bien qu'elle est à 250 Mais passons. Non. Quand je vous dis que c'est à 250, je sais. au niveau de la boulangerie, c'est à 200 francs. Ah oui dans la rue. Non, oui, dans la rue, celui-là qui est allé acheter au niveau de la boulangerie pour aller vendre, il va pas aussi vendre ça à 200. Non, bien sûr. Tout, voilà. et ce n'est pas tout le monde qui va à la boulangerie pour acheter. Bien sûr, bien sûr, il faut l'avoir tout, tout à fait. Le, pain est et, et, mhm. qu'on mangeait autrefois à 25 francs. Mhm. Aujourd'hui, c'est entre 300 et plus. Le minimum, c'est 100 francs. Non. Pour litre qui autrefois était à 125 francs, mhm. aujourd'hui c'est à 1500 le, le, paquet de sucre, sans lui. À l'époque. Euh, Qui euh, euh, a été à, à 1000 francs, aujourd'hui c'est à 1500. Mais quel effort on fait pour que la population ne souffre pas ah ah ben. et, il faut voir, il est difficile dans ces conditions que la population soit écoutée. Mm-hmm. Pourquoi je le dis On mm-hmm. est pris en charge. Mm-hmm logé, nourri, habillé, transporté gratuitement sur le dos des pauvres. Donc on ne ressent pas ce que les pauvres ressentent. Tout à fait. Tout à fait. Tout vous voyez. Ah Et tous ceux qui disent, non, on vient, c'est pour euh, aider le pays, sortir le pays de, de l'arrière, c'est faux. Les gens, ils viennent aujourd'hui gérer pour leurs propres affaires mm-hmm. et pour l'intérêt de leur parti. L'intérêt du Niger ignoré. L'intérêt des mm-hmm. de, de pauvres, mm-hmm. tout est ignoré. Et après, on accuse que le Niger est toujours donné, le Niger est pauvre parce qu'il y, a, beaucoup de naissances. Fils là, si le Niger était, était pauvre, tel qu'on le dit, où est-ce que les gens arrivent à trouver des milliards qui sont en train de voler Tout à fait. Tout à fait. Je m'arrête là. Alors, le musulman, le croyant, et cet individu, un qui sait qu'il a des comptes à rendre sur toutes les actions qu'il aura à commettre ici-bas. Mais alors rien que pour ça, cela devait inspirer en lui cette crainte du jour où Allah subhanahu wa ta'ala va dresser son tribunal de dernière instance, le jour où justement il n'y aura ni paternité, ni maternité, ni fraternité, ni parenthèse, etc., etc., et que chacun sera en face de, de, ce, de ce qu'il a accompli. Le, musulman et cette personne qui, qui est certaine qu'il y a ce compte à rendre là. Donc, cet individu doit toujours faire attention euh, quand il pose un acte. Mais Allah subhanahu wa comme dit, tu dis dans la fin du, verset que tu as rappelé, il est ignorant et il est injuste. Ignorant parce qu'il ignore les conséquences justement de ce qu'il attend et injuste parce qu'il ne tient pas compte des actes justement qu'il pose et qui seront dans l'au-delà, euh, comme euh, il a dit, qui seront tristesse, qui seront afflictions qui, seront, qui lui feront de la peine dans l'au-delà et il va se trouver devant une situation difficilement gérable. Et le problème, c'est qu'on n'aura aucune possibilité de revenir ici-bas pour corriger. Donc, raison de plus de nous inspirer au nom de cette religion, de ceux qui nous ont dévancés, notamment de ceux qui étaient dans l'enseignement du prophète alayhi dont ses califes et ses compagnons afin que nous puissions euh, vraiment, tant euh, euh, du côté de ceux qui tiennent le pouvoir que de ceux que de la population elle-même, parce qu'il y a deux grandes catégories, il y a ceux qui détiennent le pouvoir et il y a ceux qui, la société, donc euh, etc. Chacun est responsable des actes qu'il a posés. Oui, Alajid, ce que vous venez de dire, tous les deux, ça effectivement, ça m'inspire un certain nombre d'idées. La première, c'est de rappeler ce que Abdel Fattah vient de dire, euh, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit mm-hmm. Mm-hmm. Le dirigeant d'un peuple, mm-hmm. c'est son serviteur. Donc ça veut dire que tout celui qui dirige, tout celui qui est responsable d'un groupe, jusqu'à la famille, il doit prêter attention agir comme un chirurgien. Euh, tout à fait. Un chirurgien mhm. avec munici. Mhm. Vous avez parlé des exemples. Effectivement, Omar ibn Khattab s'inquiétait. Vous avez parlé de l'ignominie mhm. que peut être que peut euh, constituer l'exercice du pouvoir d'un pouvoir ou l'exercice d'un pouvoir mal exercé, n'est-ce pas? Le, Omar ibn Khattab s'inquiétait. Mhm. Il faisait des, problèmes. Il se souciait mhm. du sort mhm. des créatures du Dieu. De toutes les créatures. De hein. toutes les créatures. Et il craignait à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui demande des comptes au cas où un animal, un âne, trébucherait. N'est-ce pas il craignait à ce que Allah lui demande pourquoi, elle n'a pas, rempli le trou. Pour que ça ne se passe pas. Il a pris l'animal comme exemple. Il a pris l'animal comme exemple. Et, il, craignait aussi à ce qu'il soit questionné, comme vous l'avez dit, le jour du jugement dernier, à cause de la perte du lucou d'une chèvre, la corde à l'aide de laquelle on attache un animal. Il craignait. Tout ça, c'est l'idée de bonne gouvernance, et mmh. l'idée de la gestion. Mmh. Et le prophète le seul de prophète, mmh. n'est-ce pas Lui, il utilisait toutes les précautions pour nommer. A-t-elle enseigné que Abu Dhar un jour, il lui a demandé pourquoi tu ne m'emploies pas. on ne le nomme pas. Mm-hmm. Il a dit Abou Dar, tu es faible. Et voilà ce qui constitue l'exercice du pouvoir. Dans lau Donc, euh, dans l'au-delà, en tout cas, l'exercice du pouvoir. C'est comme il a dit. Hein. Oui, c'est comme il vient de le dire. Ça peut être une source d'ignominie. Mm-hmm. N'est-ce pas mm-hmm. Et parce que aussi, on dit que son exercice a une bonne saveur, mhm. mais son sévrage mhm. peut être nocif. Mhm. Tout ça, c'est des idées qu'on trouve dans l'enseignement de l'islam pour attirer notre attention. Donc ça, c'est ce qui est de nous dévancer les premiers musulmans. Quelle attitude ils ont observé Parce que vous avez dit, vous avez parlé de euh, la bonne gouvernance et en islam. L'un dans l'autre il faut aussi se demander, il y a des situations, c'est euh, le fait d'embrasser le bas monde ou les biens du bas monde, et tout comme euh, le pouvoir, le haut mhm. ou le matériel. Mhm. N'est-ce pas mhm. C'est ce qui nous amène dans certaines situations. Le prophète wasallam a attiré notre attention. Parce qu'il a parlé des milliards, mhm. n'est-ce pas mhm. Par-ci, des milliards, par là. Mhm. Le prophète Mohammed a attiré l'attention de sa communauté. Attention, il disait un jour à ses compagnons, je m'en vais. Et je le vois d'ici. Qu'est-ce qu'il voit sur les causes N'est-ce pas Je le vois d'ici, mais je ne crains pas pour vous n'est-ce pas, pour votre foi. Donc le prophète Mohammed était convaincu que après lui, ses compagnons ne vont pas rebrousser chemin, abandonner la foi mm. en Allah. Mm. Mais il a dit, j'ai crains pour vous la richesse. L'accumulation. L'accumulation. Mm. La richesse, l'accumulation de la richesse. Car c'est ce qui est arrivé à ceux qui vous ont dévancé. Au peuple avant vous. N'est-ce pas Le peuple qui vous ont dévancé sur terre, c'est là qu'il leur est arrivé. Et quand la course au matériel, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Al-Hakum mm. al-Maqabir, mm -hmm. la richesse, du, la course au matériel vous divertit mm -hmm. jusqu'à ce que vous vous étiez les tombes. -hmm. Vous avez parlé du fait que, eh, n'est-ce pas, de craindre Allah et au jour du jugement dernier. Donc il a dit l'accumulation de la richesse n'est-ce pas C'est ça qui est arrivé à ceux qui vous ont L'avarice. L'avarice l'égoïsme, la cupidité, mm-hmm. Mm-hmm. et jusqu'à ce que ça les a divisés mm-hmm. et jusqu'à ce que ça les a détruits. Akbar, On a l'impression que cette parole, ce discours a été prononcé, n'est-ce pas c'est tellement d'actualité. Donc ça, c'est vraiment une interpellation, qui prévaut pour nous tous. La course au matériel. Et aujourd'hui, vous fréquentez les gens, vous allez voir la conclusion, c'est que c'est ça qui est rentré devant. Donc de haut en bas, comme on vient de le voir, mm-hmm. la course au matériel, mm-hmm. elle est nocive. Mm-hmm. Il y a eu des leçons d'histoire, donc très conséquences et par rapport à la course au matériel. à fait. Donc, la meilleure façon de s'y prendre, mhm. n'est-ce pas, on a été créé, c'est une amana pour agir mhm. à bon escient mhm. et que Allah nous assiste pour que ça soit comme ça. Oui, moi je reviens toujours aux paroles du messager, le professeur de l'humanité. Il dit, Manawaliya quiconque <coughs> auquel on confie mm. la gestion mm. de, la communauté mm-hmm. et qui a osé traiter ça avec légèreté mm-hmm. verra aussi ses affaires traitées devant Allah avec, avec légèreté. C'est clair comme message. Mm. C'est clair comme message. Aujourd'hui, fils un exemple. clair comme message. On a pris de l'argent mm-hmm. pour nous faire des échangeurs. Mm-hmm. Alors que l'argent là peut servir à construire des classes. Mm-hmm. Les enfants sont dans des classes en paillot et chaque fois les incendies viennent ravagés Les gens meurent dans les classes. Regardez la situation des étudiants à l'université. Les bus avec lesquels on les transporte, qu'Allah nous préserve. Si un jour il va y avoir accident avec euh, les surcharges là, les dégâts seront comment c'est ça. Énorme. Énorme. On a pris de l'argent pour nous faire des rails inutiles. À quoi est-ce que ça a servi le rail là, à quoi est-ce que ça a servi mm-hmm. Moi, je ne vois pas. Mm-hmm. Et moi, je sais, un peu que responsable, mm-hmm. il me faut étudier la faisabilité d'un projet avant de s'y lancer. ce argent-là est allé où Ça a servi à quoi Regardez aujourd'hui nos centres de santé mhm. qui manque de produits. Mhm. La dernière fois, j'ai appris même que même les papiers pour écrire ordonnance aux gens, mhm. il n'y en a pas. Moi, une fois, j'ai assisté dans une de nos maternités. Trois à quatre femmes sur le même lit. Et à la fin de la semaine, chacune aussi doit payer la redevance. 10 000 francs. C'est lourd. Si, si, si, si. et, et des musulmans. Vous voyez que, c'est très grave. Bien sûr. Aujourd'hui, on ne souhaite pas que, que, que quelqu'un tombe malade et qu'il aille se faire soigner. Mm-hmm. Vous arrivez il n'y a rien d'abord, les premiers soins là, mhm. qu'on puisse vous faire. Mhm. Même des gants, des fois, il faut que vous achetiez. Mhm. à supposer que le gars, il n'en a pas. Dans quelles conditions ce monsieur-là va mourir L'amour de l'argent, il est. Vous arrivez d'abord, les ordonnances, vous n'avez pas le moyen de les acheter, on vous mais à l'écart. Mhm. Vous êtes menti. Ceux qui vous soignent ne vous soignent pas dans l'exercice de leur travail. Eux aussi, ils attendent quelque chose. Mhm. où est-ce que nous allons aller avec des citations par là mhm. C'est difficile. Si la pitié ne peut plus exister dans le cœur d'un soignant, à quoi bon aller maintenant mhm. au centre de santé Vous arrivez à voir c'est-à-dire les ordonnances qu'on vous fait, mhm. le même produit peut être prescrit trois fois mhm. alors qu'il joue le même rôle pour seulement alourdir la facture. <laughs> Paraît-il qu'il y a une entente entre celui-là qui donne l'ordonnance et la pharmacie dans laquelle vous allez acheter le produit il vous fait l'ordonnance et c'est lui qui va vous guider. Allez-y à telle pharmacie. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est pas facile. Je me rappelle encore au moment où Africa numéro 1 existait. Mm-hmm. On parlait de, de ne pas et, consommer les produits par terre. Un intervenant a dit, quel que soit Alpha, le pauvre va mourir. Il vient à l'hôpital, on lui donne ordonnance. Il n'a pas les moyens pour s'acheter le produit. Il va mourir dans la douleur. S'il va vers la pharmacie par terre, acheter le produit, il prend ce même produit-là, il meurt, il sait qu'il est malade, il s'est acheté produit, il est mort. Mais il sait qu'il est mort et, dans la douceur. Mhm. Aujourd'hui, il faut voir. La situation est difficile. La situation est très difficile. Mhm. Pendant que ceux qui gèrent sont pris en charge mhm. sur tous les plans. Les enfants, même chose. Leurs femmes, même chose. Et que, voulez-vous que devienne le pauvre euh, Il va souffrir. Le pauvre va souffrir. Le pauvre, il va souffrir. Tout à fait. Tout à fait. Un, de nos collègues, il est mort. Que Dieu lui fasse miséricorde. Mhm. Il dit tel que nous, oui. Mhm. En quelqu'un de tel camp, du Nokula dire. » Autrement dit, mm-hmm. ô toi pauvre, mm-hmm. donne-toi la mort. Mm-hmm. La raison qui t'a poussé à venir dans ce bon monde-là, tu vas voir ça. Est-ce que c'est pas ça que nous sommes en train de voir Tout à fait. Le pauvre est totalement délaissé. Tout à fait. Dites-moi sur quel plan le pauvre est pris en charge. Tout à fait. Sur le plan sécuritaire, zéro. Sur le plan alimentaire, zéro. Plan social, tout est zéro. Ah, il faudrait que nous ayons de la compassion les uns envers les autres. Tel que le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ayez de la compassion, ayez de la pitié Mhm. pour tous ceux qui sont sur la surface de la terre, mhm. afin que Allah subhanahu wa ta'ala qui se trouve au ciel mhm. puisse avoir pitié de vous. Tout à fait. Voyez, la situation sécuritaire, la situation alimentaire, sur le plan éducation, tout, tout, tout est à zéro. Je m'arrête Dans le cadre d'une bonne gouvernance en islam, nous avions parlé du côté social. Euh, c'est-à-dire qu'un dirigeant doit faire, doit faire attention d'une part, il doit composer avec la, société. C'est-à-dire que les décisions ne peuvent pas être prises souvent sans consultation. Nous savons que la consultation en islam est, est tellement importante que tout un chapitre en a été réservé. نسبة سورة الشورى إيسي جسنا سيكي لبروفت صلى الله عليه وسلم أرسي جد الله سبحانه وتعالى depuis le premier jour pour sa propre formation euh, quand euh, nous lisons par exemple dans le Coran Allah nous dit فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فأف واستغفر لهم وشاورهم في الأمر C'est les premières leçons de pédagogie que l'a enseigné à son prophète afin de mener toujours une bonne gouvernance. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, c'est par une miséricorde d'Allah wa le dirigeant doit être à l'écoute. Il doit, euh, il doit avoir pitié, comme il dit tout à l'heure, n'est-ce pas Et c'est le cas des califes dont Omar a été vraiment un exemple assez illustratif. Donc il doit écouter la population et surtout savoir supporter. Dans le cas du prophète, Allah lui dit il faut être patient. Parce que si tu te mettais à, dans un état de colère chaque fois, euh, intraitable, eh bien, ces gens-là allaient complètement fuir euh, autour de toi et s'en ils se disperseraient. Donc, Allah dit il faut leur pardonner parce qu'ils ne savent pas, ils, ils ont sûrement dû te causer du tort et demande à Allah subhanahu le pardon de leurs péchés et consulte-les si tu as une décision à prendre. Nous, voyons qu'il y a là une, euh, des conditions assez difficiles euh, euh, qu'un dirigeant est censé avoir et surtout Omar a été, toujours on reviendra sur Omar anhu, où nous avons ces histoires un peu partout et qui, qui sont racontées et quand lui-même, notamment dans le cadre de la surveillance de ce qui se passe dans, dans, son, dans, son entité, dans sa responsabilité, il est obligé de s'occuper de tout le monde, de tenir compte de la situation des pauvres, de tenir compte de la situation de ceux qui sont malades, etc., etc., comme il a essayé de nous le rappeler euh, tout à l'heure. Oui, effectivement, mais je voudrais d'abord, avant de revenir à la, sur cet aspect-là, mm-hmm répondre euh, rebondir ce que Abdel Fattah mhm. vient de dire. Mhm. Euh, tout ce qu'il vient de dire non. est avéré. C'est vérifiable, bien C'est vérifiable. mais mhm. ben, on ne peut pas dire, c'est mon point de vue, que insécurité zéro, alimentation zéro. C'est vrai, il y a des situations très contraintes, très ça, j'ai dit que c'est avéré. Mhm, mhm. Mais à supposer qu'aujourd'hui, dans Niamey, qu'on sache que il n'y a pas de policiers, de gendarmes, de forces de sécurité mhm. cette nuit-là. Il n'y en a aucun. Qu'est-ce qui va se passer cette ben, nuit Tout à fait. Donc, euh, on ne peut pas dire zéro. on a Comme euh, un adorateur, n'est pas facile de le traiter de cas. de de ce n'est pas dans toute situation. Euh, c'est le jugement est compliqué. Mhm. On ne peut pas dire zéro. Bon, mhm. l'un dans l'autre, mhm. euh, on dit qu'un adage de chez nous dit si on voit le côté du voleur, il faut voir le côté de celui qui suit les traces aussi. Nous qui réclamons là, mais il faut qu'on voit. Je disais que la responsabilité là, elle est vaste ce député du euh, dirigeant de la plus grande entité à la plus petite que la famille. Disons qu'il a personnes. Mm-hmm. le prophète Mohammed a dit qu'il y a trois personnes mm-hmm. qui doivent avoir, n'est-ce pas, un ami, mm-hmm. un dirigeant. C'est quand même une responsabilité. Mais il faut qu'on voit individuellement toutes les petites responsabilités que nous, nous gérons dans la famille, avec les voisinages dans nos activités hein, quotidiennes, mhm. dans lesquelles on cherche à mhm. manger, on trouve mhm. à manger. Vous avez parlé de, à une occasion, à plusieurs occasions, vous avez, vous avez parlé de ce qui se passe même dans les services, même pas de la santé. Vous avez parlé de ce qui se passait. Donc individuellement, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Je m'en vais euh, à la base de la société. Aujourd'hui, vous voyez Qu'est-ce qu'on a fait du lien de parenté La conclusion, beaucoup de gens disent qu'il n'y en a pas. Ce n'est C'est pas respecté. Qu'est-ce qu'on a fait du voisinage Qu'est-ce qu'on a fait de l'orphelin Mais est-ce que le métier qu'on exerce, il faut fouiller un bon pourcentage, on va voir que ce n'est pas ça. Mais on veut avoir bonne gouvernance. Mais ça veut dire que, parallèlement à cette grande responsabilité de la grande entité, il y a des petites responsabilités. Mais la somme de toutes ces petites responsabilités, des violations de ces petites responsabilités, qu'est-ce que ça va donner mm-hmm. Mais Dieu a traché. Mm-hmm. Les dirigeants sont à même. Le prophète Mohammed mm-hmm. les dirigeants, n'est-ce pas Sont à l'image. Sont à l'image de, leur peuple. Bien sûr, parce qu'ils sont tirés de, la population pour en faire des responsables. Pour en faire des pas des gens qui sont parachutés. Aujourd'hui, moi, je peux poser, donner, prendre cet exemple et le donner. Nous sommes à l'exemple, à l'image d'une bouteille mm-hmm. en verre. Ah bon Quand ça se casse, qu'est-ce qui se passe Tout se brise là, n'est-ce Tout se brise, n'est-ce mm-hmm. Donc nous serons à mesure de rattraper cette, situation mm. quand nous serons à mesure de racoler, de prendre les petites responsabilités là-bas qui pèsent sur nous. Mhm. L'orphelin là, mhm. de mon grand frère, mhm. l'orphelin de ma soeur, qu'est-ce que j'en ai fait, et le voisinage, et dans la famille, et le lien de parenté, et dans l'exercice de ce métier là. Hein? Donc c'est un problème de la société. C'est un problème de la société qu'il faut voir. Même si réellement, mais à beau crier, ça ne va pas, ça ne va pas, c'est la résultante de ce qui est en bas. Ça, c'est important, c'est pourquoi j'ai dit cette responsabilité, elle est vaste. Même si on dit, euh, je me rappelle, un président disait, c'est le voleur qui crie au voleur. Oui, c'est le voleur qui crie au voleur. Si je pense que moi, ici, j'ai pris eh, seulement 100 000 ou 300 000 seulement, mhm. et, eh, mais quand l'autre va prendre un milliard, je vais mhm. partir dire... Je vais dire le milliard. Ça ne va pas. La mhm. responsabilité auprès de Dieu, est le global, Et ça me rappelle tout de suite cette épreuve qu'on subit à chaque fois. À beau accumuler, n'est-ce pas À beau briguer des mandats. C'est quand on met Mohamed souvent quand on fait la présentation au niveau de, la présidence, mhm, mhm. que vous entendez X a fait ceci, mhm. c'est comme vous l'avez dit, c'est à cause de ça individuellement que je dois rectifier les tirs. Est-ce qu'on a compris C'est-à-dire, à beau briguer, à beau accumuler, il y aura un jour où tout est fini, ça reste que le compte à rendre. N'est-ce pas Ça, les anges ont tout filmé, n'est-ce pas Tout inscrit tout transcrit donc mhm. de poste en poste, de région mhm. en région, mhm. de ceci en ceci, donc ça ne reste que le bilan. Et rien n'échappera à la subhanahu Donc c'est euh, euh, de cette euh, façon qu'il faut voir les choses. Nous tous, en tout cas, on sera à mesure. De la même façon qu'il ne serait pas facile de racoler les pièces d'une bouteille cassée. Mm-hmm. Mm-hmm. On sera à mesure de rattraper cette situation quand nous serons à mesure mm-hmm. de nous pardonner, n'est-ce pas, de ressouder les liens de parenté, de réconcilier, de, de réconcilier le voisinage, le respect du voisin, la compassion entre nous. Mais parce que le prophète a dit, n'est pas croyant c'est lui qui passe la nuit le ventre gavé, mhm. mais sans son voisin, mhm. affamé. Mhm. Affamé, n'est pas croyant, ça ne se passe pas. Mais il y a aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, dans certains pays, vous voyez, aujourd'hui, la situation est tellement devenue explosive, c'est des gangs qui gèrent par quartier. Ils exploitent les gens comme ils veulent, ils pillent comme ils veulent quartier. Donc que Dieu nous en présente. Ça, pour, euh, euh, pour vraiment et, euh, ramener cette situation de justice et d'équité, il faudrait que chacun à son niveau prenne ses responsabilités. Mm-hmm. Il ne suffit pas de réclamer. Mm-hmm. N'est-ce pas mm-hmm. il y avait un pays qu'on qualifie de puissance. Quelqu'un, c'est pas plus loin que le mercredi. Nous a donné cet exemple il a dit que euh, ils étaient dans une école, c'est dans, un pays, c'est une des puissances de ce monde-là. Il dans, était dans une école, on a dit ici, il n'y a rien que l'État fait. Il n'y a que le gardien. Mais tous les cadres, une grande école, tous les cadres sont pris en charge. Par quoi par la contribution des anciens élèves. Mhm. Et il y a la subvention de 4 ans que l'État cherche à verser. Il cherche où mettre cette subvention, il n'y a pas, ils n'ont pas allé. On les appelle, venez chercher, mhm. venez chercher, mais il n'y a pas là où ils vont mettre. Et il a dit, le jour même où ils ont visité cette école, il y avait quelqu'un, donc un ancien élève qui a fréquenté, qui a amené de l'argent, le même jour. Il n'y a que le gardien il faut voir par rapport aux autres agents de salaire du Tout Tant qu'il y a quelque chose au niveau, à notre niveau, en tant que citoyen dans notre individualité, mhm. de la même façon qu'on parle, qu'on met aujourd'hui euh, l'État, les agents d'État dans les rétroviseurs, il faut qu'on se mette individuellement mhm. et les citoyens, mhm. qu'on s'interpelle, qu'on se conseille, qu'on se donne la main. Tout à fait. Moi, je vous dis, j'ai fait cet exercice au niveau des groupes-là. Mhm. des groupes concrets mhm. Mais cette chose, vous allez voir facilement, les gens vont collecter mhm. et on bouche entre. Tout On aide quelqu'un. de toutes ces ONG qu'on attend, et vous allez voir un, financement, hein. un financement qui va franchir la mer de 1 million 500 francs, de 2 millions 500 francs, pour venir nous aider. Alors que ici, si nous sommes nos efforts, nous pouvons faire mieux que ça. Donc il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du soutien, il faut qu'on se dise que le progrès, c'est ici d'abord, mm-hmm. dans l'esprit, mm-hmm. le corps mm-hmm. et le travail. C'est ça. Bonne intention et puis n'est-ce pas, les bonnes réflexions. Mais il n'y a pas, a pas de bonnes réflexions au sein de la communauté. Et il n'y a que ceci, ci quelqu'un, quelqu'un m'a dit, on lui a dit, il faut, il faut, il faut que il faut que euh, on est venu pour lui pour qu'elle aide à déstabiliser quelqu'un. Il a dit jamais je le ferai pas. ça c'est avec ça qu'on va C'est avec ça qu'on va avoir bonne gouvernance. On travaille pour casser. Dès que tu entreprends, on casse. je vous dis, le gros du problème c'est à la base. Mais autrefois quand ça marchait, combien de fois l'association, la, société civile mm-hmm. hein, ou l'USN, combien de fois ils ont freiné l'État. Mm-hmm parce que la société était, était soudée, les valeurs universelles, sans même parler de la, religion, les valeurs universelles qui sont communes, qu'on trouve dans la religion, et on, l'utilise, ça marche, les gens sont unis. Combien de fois la, société civile a fait revenir l'État N'est-ce Combien de fois une marche a fait changer d'avis Mais aujourd'hui, je vous ai dit comme à l'exemple du Tesson, d'une bouteille cassée, les gens sont comme ça juste à poser. Et aujourd'hui, même si tu cries, venez, venez, on va faire, qui va te suivre Parce que ce qu'on est en train de reprocher aux autres là, Hein? que Dieu nous, pardonne, est-ce que ce n'est pas dans notre cœur aussi Ah, si on va à, beau justifier, vous justifiez terre à terre, voilà ce que les gens sont convaincus, mais on va dire non. Si on le suit, comme vous venez de le dire ici, n'est-ce C'est pour, euh, quelque part, il va nous utiliser. et c'est fini, on laisse la situation C'est à notre niveau. C'est bon, c'est beau de lui dire, on est en train de répéter ou partez tout, c'est la balle sociale qui est foutue. Mm-hmm. Et là, quelque part, c'est comme un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mm-hmm. Vous avez laissé votre love là souffrir. Vous avez laissé votre parent de sang souffrir. Mhm. Vous avez laissé, vous avez laissé ceci, vous avez laissé, vous avez fait, mais celui qui, celui qui peut être protégé. Mhm. Hein? Mhm. Et même les élections, comment ça se passe Aujourd'hui, quelqu'un peut dire oui, il va aller parce qu'il n'a jamais eu 100 francs, si ce n'est pas cette année, de la part d'un agent de l'État ou de celui qu'on appelle l'intellectuel. Mm. Il a eu 100 francs avec, à cause de ça, elle va aller faire ses élections, les lire. N'est-ce pas Il faut qu'on partage pour gagner, pour, pour aller aux élections. Alors, mais c'est ce qu'on a fait, c'est cette construction. Hein? Du faux, alors que les élections, c'est pas comme ça on fait. Donc, le gros problème, il faut qu'on revoie ce qu'on a en nous-mêmes. Ah, d'accord. le problème, multiplier les exemples, on peut prendre la santé, on peut prendre l'éducation, on peut prendre, mais tout est à la base. Et excusez-moi, permettez-moi d'ajouter ce qu'on ce qu'on a d'habitude d'évoquer ici. Mhm. Jusqu'à cette semaine, j'ai entendu, on dit, les frères du COGES. Mhm. Les gens détournent. Mhm. Mais le président du COGES, les responsables, il y a les parents dedans. On vous convoque. On a créé un cadre. Et les gens sont encadrés par des formations. Cotisés, n'est-ce pas Et parmi, c'est parmi vous. Le trésorier, c'est parmi vous, les parents. N'est-ce pas Et le président peut être un parent. Mais réunissez-vous. Prenez le bureau dirigé. Tout est organisé. Hein. Il y a la formation qu'on donne, mais les parents ne viennent pas. Mais seulement tu es contre toi, tu ne peux pas donner 2000 francs pour la formation par an. Par an, tu, ou, mois, disons, tu ne peux pas donner 2000, tu es là, tu restes à côté, on te convoque, viens. Viens, parce que qu'est-ce qui se passe À résumer, d'abord, il faut étudier les problèmes de l'école. N'est-ce pas On vient faire un plan d'action. Les parents valident. Vous êtes d'accord à lever ce qu'il n'en a pas on valide, amener les 2000-2000. Mais aussi, vous avez pris un président qui préside le, qui préside le proviseur, le représentant des professeurs, des enseignants, des élèves. Qu'est-ce qui, quest qui vous reste, s'il vous plaît, si vous suivez Mais on reste de côté, on ne prend pas ses responsabilités, on crie, on fait des tournements, je ne donne pas, on le fait. Ça, c'est quoi C'est une autre fuite de responsabilité. on vous a dit de venir gérer, mhm. être les premiers responsables. Mhm. Mais seulement, on reste parler. Et voilà encore un autre problème qui mène notre société. Suivez les groupes. Si vous êtes dans un groupe, suivez combien, comment on parle. Masha'Allah. Parlez seulement. Tout à fait. Parlez du jour au lendemain. Tout à fait. Parlez. Il reste 5 minutes ah euh, le problème, non. C'est qu'on n'a pas un homme qui donne l'exemple. Tout le problème est là. Il faut un leader capable d'apporter le changement. Non. Il n'y en a pas. Et une fois, pas, une fois qu'il n'y a pas un leader qui donne l'exemple et que les gens suivent, qui va mettre les gens au pas, le bateau va tanguer. Le, bateau va tanguer. On ne peut pas réussir. Et parler seulement aussi ne suffit pas. Il faut agir. Il faut agir. il bien Il faut lier l'acte à la parole. Mhm. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons Nous vivons la délation et le mensonge. Mais Alhaji, Alhaji Abdel Fattah, Alhaji Abdel Fattah, non. c'est justement cette, cette, le mensonge qui a créé la et, pas fini. Qu'est-ce qu'on a dit au sujet du mensonge <coughs> Tout édifice mhm. qu'on a construit avec de la salive mm-hmm. sera détruit mm-hmm. par la rosée. Mm-hmm. Donc, tout ce qu'on va faire sur la délation et le mensonge ne va jamais prospérer. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nos hommes politiques, la plupart, c'est des menteurs. Ils viennent ils nous trompent Je vous ai dit, l'intérêt national, là, il est difficile de trouver quelqu'un qui le défend je vais te dire. Ils défendent leur intérêt à eux et l'intérêt de leur parti. Je vais te dire. Ils veulent tromper chaque fois le peuple. Je vais te poser même une question. Il est dit, il me semble, dans un article de notre Constitution, mhm. que les biens de l'État sont sacrés. Ça veut dire quoi Et que le texte continue, si je me mémoire, que chacun a le devoir de le protéger. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas les biens de l'État sont ah, Est-ce que c'est le cas On vous demande pour que vous voliez l'argent pour venir euh, euh, mettre dans le, le, euh, parti. La situation est très grave, ah, très oh, oh, oh. dangereuse et très périlleuse. <laughs> C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de résultat. Mm. Il nous faut un même orchestre mm, mm. qui va asseoir la vérité. Du cas, comme Omar. non, eh, non, comme Omar. on peut continuer ça la semaine prochaine, puisqu'il y a les exemples de Omar qu'on n'a pas encore donné. tout à fait. Alors, si tout à l'heure on était à 5 minutes, on n'est qu'à qu 2 minutes à peu euh, qu'est-ce que tu pourrais dire en euh, 1 minute pour conclure Oui, en fait, euh, c'est de dire de balayer nos portes. Ah, n'est-ce pas Balayer nos portes. Mm-hmm. C'est en ce moment de chaque, à chaque niveau mm. et de considérer les petites les, responsabilités petites là qu'on de les considérer, de contribuer à retisser les liens sociaux, de constituer, à, euh, euh, euh, reconstituer les liens sociaux, n'est-ce pas, et à révéler les valeurs sociales. Parce que c'est tout ce qu'on a perdu. Hein. C'est tout ce, comme il vient de le dire. Hein. Mm-hmm. Comme il vient de le dire, c'est pas, pas un leader qui manque. Mm-hmm. Mais ce qu'on ne croit pas, ça à dire qu'il y a tellement de photos, chacun tu penses. Mm-hmm. Même quelqu'un qui va venir mm-hmm. te demander de l'aide avec mm-hmm. toutes les apparences du monde, vous allez voir qu'au fond, c'est pas ça. Donc c'est ça qui a fait qu'il y a tellement de méfiance, il y a tellement de méfiance que tout leader qui va sortir, on ne croit pas. Alors mais là, il faut reconstruire cette confiance-là pour pouvoir avancer. Et ne, mentir. Une minute. <laughs> <laughs> <laughs> ce que j'ai à nous dire, hein, il faut que chacun sache d'où nous venons, là où nous allons et quel objectif on veut atteindre. Et que chacun doit se rappeler qu'il a un compte à ah, ben, ça clair. dans l'au-delà, parce que le jour où nous aurons des comptes à rendre, nous n'aurions pas à rencontrer des difficultés que nous ne saurions pas expliquer. Amen. Et ceci met donc fin à cette table, hein, table ronde dans l'islam. ça parce que je vois qu'il il, il reste encore à dire. Oui, euh, n'est-ce pas C'est bien une table ronde. Hein, c'est pourquoi au début j'ai dit on va parler de la bonne gouvernance de façon mm, mm, mm. générale. Si après on pourra évoquer euh, spécifiquement ce que l'islam euh, a démontré comme matière en tant que gouvernance, bonne gouvernance. N'est-ce pas On aura beaucoup de choses à dire aussi. Peut-être la prochaine fois, on Allez, tu nous cette table-là notre pays, de bénir notre pays, nous préserver de tous les et de tous les menaces sera jeudi à partir de 17h30. Salam alaikum. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا غافر يا زاهر يا باطن يا حليم يا عزيز يا غفور يا شكور يا قدوس يا ملك جبار یا خالق یا قہار یا بصیر یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا جلیل مؤمن قابل خافر رقیب والسی یارتی مجھے حتیث يا فتاح يا مهيمن الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مقيت يا عزيز يا غني يا لطيف يا خبير يا سميع يا مقيت يا محسن يا مقضي يا معيز يا مقيم يا معيد يا محيي يا حميد يا رشيد يا غني يا متين يا باجد يا باهر يا احد يا سمد الشهيد يا مقدم يا مؤخر ذو الجلال والإكرام